chers auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue euh, dans votre émission Le Niger sur Kalangu de ce jeudi 20 juillet 2023. Au micro, c'est Ali Munkela Seni alias Seno et à mes côtés Samira Rouafi pour la présentation. La technique est assurée par Seni Isaka et à l'édition, nous avons Fanta Chamsou. Samira, bonjour, comment tu vas Je vais très bien et toi Seno Ça va bien, Alhamdulillah. Cool, alors on a quoi au menu ce matin pour nos auditeurs Eh bien Samira, comme d'habitude, il y a le flash d'information qui sera suivi d'une sélection musicale nigérienne et de diverses rubriques, notamment le loti, le sport, la culture linguistique, le co des régions, avec un focus sur les collectes d'objets recyclés appelés Yang Kongolba. Dans la rubrique Invité du jour, nous recevons M. Ide Baza Abdourahman. Il est le secrétaire général du club UNESCO de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Avec lui, nous parlerons euh, du fonctionnement de ce club. Nous allons clore avec les messages vocaux de nos auditeurs. Installez-vous confortablement, c'est parti. Chers auditeurs, euh, comme on l'avait dit, euh, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette édition et nous est présenté par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Samira, comment ça va Ça va bien. Alors pour ce matin, le vice-président du Conseil supérieur de la communication a présidé mardi à Niamey la rencontre d'information avec les acteurs du secteur des médias. Cette rencontre est l'occasion de faire le point sur le rapport de monitoring des médias du 1er décembre 2022 au 28 février 2023. Accès équitable, pluralisme et genre, échanger et faire des recommandations afin de garantir une presse de qualité. C'est au total 30 médias qui ont été ciblés dans cette télévision, 13 radios et 10 journaux. El Hajj Mohamed Suleiman a révélé les critères essentiels des médias d'information générale, dont entre autres la question du genre, de l'enfance, de l'économie, de la santé, etc. Ensuite, nous avons dans le flash euh, le ministre d'État de l'Énergie, Ibrahim Yakuba, qui a présidé hier de la matinée à Niamey l'ouverture officielle du 8e forum régional sur la régularisation de l'électricité de la commune économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Placé sous le thème Construire des marchés de l'électricité compétitifs, impératif de régulation dans le contexte mondial et régional. Ce huitième forum coïncide avec le 15e anniversaire de l'autorité régionale du secteur de l'électricité de la CDIAO arec le présent forum régional est un cadre pour rappeler et évaluer la mise en œuvre de la politique d'intégration énergétique telle qu'elle découle du traité de la CDAO en son volet relatif à la promotion, la coopération, l'intégration et le développement des projets et secteurs des États membres de la communauté. L'interconnexion des réseaux et le couplage des marchés a poursuivi Ibrahim Yakouba, permettent aux consommateurs d'accéder à l'électricité à un prix plus bas avant de soutenir que l'électricité et l'énergie en général sont des facteurs essentiels du développement durable. Il est donc évident que la disponibilité de l'énergie électrique ne conditionne pas à elle seule le développement économique et social d'un pays. Et enfin, plus de 4 milliards de francs CFA, c'est le montant que devront s'acquitter les quatre opérateurs de téléphonie mobile opérant sur le marché national suite aux sanctions que vient de leur infliger l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP. Selon le gendarme des télécoms, ces sanctions font suite à la persistance de la mauvaise qualité de service constatée suite aux campagnes de contrôle effectuées dernièrement dans plusieurs localités et zones du pays. Ainsi, les quatre, les quatre, opérateurs se sont vus infliger des amendes, des sommes à verser au trésor public et qu'il appartiendra désormais au service compétent du ministère des Finances à recouvrer conformément aux textes en vigueur et qui vont pousser les opérateurs à améliorer la qualité de leurs services pour un secteur stratégique qui compte 16 millions d'abonnés mobiles et à générer un chiffre d'affaires de 278 milliards de francs CFA en 2022. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci euh, infiniment Rafika pour euh, toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, ce matin, nous recevons comme invité M. Ide Baza Abdourahman. Je rappelle qu'il est le secrétaire général du club UNESCO de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Bonjour M. Ide Baza. Merci de nous honorer de votre présence dans cette émission. Alors bonjour, merci beaucoup Seno, bonjour Samira, donc c'est un plaisir pour moi donc, euh, de me retrouver sur ce plateau donc, du studio Kalangou. Donc, euh, comme annoncé, moi c'est Idebaza Abdraman, donc secrétaire général du club UNESCO de l'université Abdou Moundé Alors euh, merci. Avec vous, nous allons parler du fonctionnement de ce club UNESCO de l'université Abdou Mouni mais avant hein, de lui donner la parole, Samira, nous allons d'abord écouter la première musique de notre sélection d'aujourd'hui. Je vous propose le titre Nigoga Down du groupe de rap Berekoy. On écoute. combinaison Nicolas pour tous les fans Qui ramène la pêche en pêche à tous les fans du moral est un pan, dans le temps qu'on donne qui dépend. Ne reste pas immobile, sinon on te qualifie de papa. Yamé dans le bois, on explose. Yamé sur la scène, on explose. Yamé sur la chaîne, on explose. Adulé par toute la jeunesse, nous voilà plébiscité. Adulé par la populace, le public se focalise. Le groupe de rap Berekoye est venu euh, dans le mouvement hip-hop nigérien par la danse euh, dans le courant de l'année 1999. Le groupe est constitué de cinq membres, dont trois chanteurs et deux danseurs. Et oui, le nom Berekoye est tiré du euh, euh, Armand et qui signifie détenteur de savoir. En 2006, le groupe dispose d'un album du nom de Garde Espoir sorti en avril 2006. Le titre que nous sommes en train de kiffer est sorti le 11 septembre 2009, deux ans après la sortie de l'album. C'est pour les mecs chauds, C'est pour les C'est pour les mecs chauds qui sont dans le show. Et même toutes les gos qui sont dans le show. A qui coup man manie les mots sur ce beat show. Dans tous les ghettos, j'observe le show, c'est mon credo. Si t'as le feeling, t'es dans le salle, c'est VIP. Si t'es VIP, j'ai tout là sur t'es bienvenus c'était le titre du groupe Bereikoy. Après cette belle sonorité musicale, chers auditeurs et auditrices, c'est l'heure pour nous de nous entretenir avec notre invité du jour, Monsieur Baza Abdraman. Effectivement, alors, Monsieur Baza, pour commencer, pouvez-vous nous présenter brièvement le club UNESCO de l'Université Abdoumoun de ses objectifs et ses principales activités alors, merci bien pour la parole. Donc, euh, euh, comme présentation, je dirais que le club UNESCO de l'Université Abdoumouni de Niamey, donc euh, communément appelé le CIAM, donc euh, est un club donc estudiantin euh, hein, donc euh, pour les étudiants pour faire la promotion donc des idéaux de l'UNESCO. Le club est né donc en octobre 1995 mhm. et a réussi donc son arrêté officiel donc d'exercice auprès du secrétariat exécutif pour l'UNESCO et l'UNESCO en novembre 1995. Donc de 95 à aujourd'hui, le club UNESCO donc poursuit donc sa vision qui est celui d'œuvrer donc pour un monde où règne donc euh, la paix et la tolérance euh, à travers donc euh, la promotion de l'éducation et de la formation. Donc nous avons comme euh, objectif donc euh, global euh, de d'exercice mhm. donc promouvoir donc les idéaux de l'UNESCO donc à savoir la science, l'éducation et la culture mhm. donc à travers nos différents secrétariats donc qui sont au sein club UNESCO de l'université Abdou de Niamey. Donc comme principale activité. activité que nous menons donc nous faisons spécifiquement donc la promotion donc des valeurs comme je l'ai dit donc de, de paix de citoyenneté. Mhm. aussi, nous faisons donc, euh, euh, nous contribuons plutôt à la formation euh, civique et à la démocratie de nos membres, parce que nous pensons qu'une une personne qui est suffisamment donc euh, formé donc, euh, et quelqu'un qui peut contribuer donc, au développement de son pays. Donc nous faisons la promotion donc, de la culture de la paix, de la citoyenneté responsable, mhm. de la tolérance, parce que nous pensons que euh, au niveau du club UNESCO, les valeurs du vivre ensemble sont capitales, donc il faut s'accepter donc, dans notre différence et il faut que les actions que nous promouvons soient conjuguer pour que euh, le vivre ensemble prône et que les, les idéaux de l'UNESCO dont nous faisons la promotion aient une grande portée. Voilà, euh, parlant de membres, de sa création aujourd'hui, le club compte combien de membres alors il serait difficile de, dénombrer <laughs> exactement euh, l'exactitude des membres du club UNESCO parce que c'est une association mhm. et c'est ceux qui sont les véritables acteurs sont des étudiants. Donc, euh, du coup, Aussitôt, certains membres vont venir, donc vont occuper donc cette fonction de membre actif, mhm. comme on l'appelle du club UNESCO de l'université Abdoumouni, parce que je me plais de le rappeler que est membre du club UNESCO Abdoumouni de Niamey, toute la communauté universitaire, à savoir les anciens chercheurs, les personnes techniques, euh, administratives et techniques, et les étudiants. Donc, ce mhm. sont les étudiants qui constituent les membres actifs donc qui anime ces clubs UNESCO. Donc, et du coup, euh, les étudiants durant leur cursus donc, essayent d'animer du mieux qu'ils peuvent euh, euh, ces clubs en essayant de, de, capitaliser les formations qu'ils ont, de faire la promotion de la culture, de faire donc des activités de sensibilisation pour la communauté universitaire, notamment les étudiants, mhm. pour édifier donc cette communauté. Donc, du coup, quand certains viennent, ils vont quitter et prendre cette robe des membres honorifiques qu'on appelle les membres consultants et autres aussitôt qu'ils dépassent mhm. donc euh, cette période d'étudiants. Donc euh, nous serait difficile de dénombrer exactement combien de membres nous avons au niveau du club UNESCO de l'université Abdoumou Niamey, mhm. mais pour ce qui est de notre mandat actuel, donc, euh, pour euh, les clubs UNESCO, dans notre registre euh, d'enregistrement des nouveaux membres, nous avons actuellement 45 membres qui se sont inscrits. Donc, nous continuons à faire la promotion du club UNESCO au sein de la communauté universitaire pour que les gens puissent venir euh, s'imprégner de qu'est-ce que le club UNESCO. Parce que qui dit euh, mouvement associatif, parce que le club UNESCO n'est pas syndical. Mhm. Donc nous faisons vraiment de la formation euh, pour initier les gens à la vie associative, notamment à travers le bénévolat et le volontariat. Parce que le club a pour aussi vocation de faire cette promotion du bénévolat et du volontariat. Voilà. Mm-hmm. Donc... Bien, euh, monsieur Idé Bazar, avant de continuer, nous allons souffler un peu à musique. Écoutons à présent le titre Kowe Brigida du groupe consanguin d'Ankowa. Masadija saka min sauki. Ya ta kama mazaje da ki. Masadija saka min sauki. kama mazaje da ki. Kowa ba

makuɗi wasai an daure ashe wasu maza mata ne hip hop Le rap d'Ankowa a été créé en 2000 par deux jeunes garçons nigériens, dont un oncle et son neveu, bien sûr, Mohamed Nazir Ousmane et Soumana Amadou. Signifiant euh, pour tous en Hausa, le groupe d'Ankowa entend à travers la musique rap combattre les maux qui minent la société nigérienne. Ces problèmes sont entre autres le mariage précoce, les souffrances quotidiennes de la femme, l'immigration clandestine ou le sida. Et eh bien, connu euh, dans plusieurs pays africains, dans Kowa, franchit euh, les barrières de l'Occident où il s'était produit euh, en Espagne et en Italie. En 2004, le groupe enregistre son premier titre intitulé les idées mariage forcé qui euh, les classe alors parmi les 15 finalistes du concours Scène ouverte rap. Lauréat du concours saint ouverte rap 2006, euh, Dankoa atteint euh, la maturité, ce qui lui permettra d'effectuer pour la première fois une grande tournée nationale et d'enregistrer son premier album. Au Sénégal, quoi de plus normal? Yélène, Sofa, face sadija kami saudi ya ta kama mazaje da ki kowa bar gida gida ya bashi da kada da kai na ne mami hip hop soja ni dai hawani ni ka da rapu nan ga gano jeji halin madi mai bankan ye ga zulme halin madi mai gura fu ga sai me masadija kami saudi ya ta kama mazaje da ki masadija tsakanin saudi ya ta kama mazaje da ki masadija tsakanin saudi Voilà, à l'instant, c'était bien le groupe d'Ankowa, mesdames et messieurs, tout en espérant que vous avez aimé. Alors, on revient avec notre invité du jour. Il s'agit bien de monsieur Ide Baza Abdurrahman. Alors, Baza, le club UNESCO, comment travaille-t-il en, collaboration avec l'UNESCO pour promouvoir les valeurs de l'organisation au sein de l'université et de la communauté environnante alors, merci beaucoup pour euh, cette euh, très belle question. Donc, euh, avant peut-être de parler sur la question, il me plaît d'abord de dire que le club UNESCO de l'université Abdou Moundé Niamey mm. donc, est membre de la fédération des associations centres et clubs UNESCO, donc euh, universitaire qu'on appelle la FENACU. Donc, euh, et euh, club et centre association fédération donc nationale des associations centres et clubs UNESCO qui est la FENACU donc cette fédération fait donc fédère tous ce qui est club association pour l'UNESCO. Hmm. Donc, euh, c'est au sein de cette fédération, nous prenons là les valeurs donc, de l'UNESCO. Donc, il faut se dire que les rapports entre l'UNESCO et les clubs UNESCO sont des valeurs de promotion des idéaux. Donc, ce n'est pas euh, un partenariat où, donc, genre, ce sont des clubs mis mhm. par l'UNESCO mhm. pour faire la promotion de ces valeurs. Donc, ce sont des clubs étudiants, euh, qui euh, se sont donnés comme cheval de bataille de, euh, de, convaincus des valeurs donc, euh, que prend l'UNESCO, mhm. se sont donnés donc, comme responsable, comme mission donc, de faire la promotion de ces valeurs-là. Mhm. Donc, et nos relations sont, si on peut le dire de manière technique, donc, avec la commission nationale mhm. au niveau du Niger donc, pour l'UNESCO et l'ISESCO. Nous les consultants, donc parce que nous faisons la promotion de ces idéaux pour que nous ne puissions pas déraper donc, euh, de cette mission-là. Mhm. Et ensemble, nous faisons cette euh, action pour voir comment euh, fédérer nos, nos, énergies ensemble, donc tout en restant dans l'esprit donc de, de, partenariat, donc comme on le dit entre nos institutions pour faire la promotion des idéaux de l'UNESCO. Donc et, au niveau de notre fêtière qui est le reskiao Donc le reskiao est en train de faire euh, euh, euh, les lobbies pour que vraiment les, le mouvement, donc le grand mouvement, soit reconnu officiellement mhm. comme euh, un partenaire stratégique de l'UNESCO et ça nous permettra d'avancer au niveau des différents pays qui constituent ce, ce mouvement-là. Le RESCAO, c'est le réseau des clubs UNESCO mhm. universitaires donc, euh, de l'Afrique de l'Ouest qui mhm. regroupe à son six pays. Six pays, donc, voilà, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Togo. Donc nous avons des pays observateurs tels que le Gabon et le Sénégal qui rejoint le mouvement en qualité d'observateur. Donc après, après cette phase d'observation, ils peuvent euh, à leur niveau voir comment faire pour implémenter vraiment véritablement donc euh, ou intégrer donc ces, ces, mouvements là donc le rescue est en train de pousser vraiment pour voir comment euh, faire en sorte pour que l'UNESCO le, le, puisse reconnaître, le euh, mouvement comme un partenaire stratégique. Ok, euh, ça c'est super. Mm. Alors, euh, comment est-ce que, dites-nous comment le club sensibilise les étudiants et la population, la population plutôt aux enjeux mondiaux de l'UNESCO, tels que la prévention du la préservation plutôt du patrimoine culturel, la diversité linguistique ou l'égalité des genres dans l'éducation. D'accord, donc le club UNESCO a sa façon de fonctionner, donc euh, telle que les formations. D'abord, mm-hmm. un, nous pensons que euh, il faut avoir formé les mm-hmm. gens pour qu'ils puissent euh, être eux-mêmes promoteurs des valeurs que nous partageons. Il faut qu'ils soient bien formés. Donc après la formation, nous faisons des activités de sensibilisation parce que mm. nous pensons qu'il est de notre rôle de pouvoir changer les mentalités. Et le changement de mentalité ne se fait pas en un seul clin d'œil. Donc il faut avoir de la persévérance, continuer à intensifier les sensibilisations mm. auprès donc de, d'abord notre première cible qui est la communauté universitaire mm. et au-delà donc toute la population nigérienne. Mm. Donc nous prenons donc ces valeurs à travers donc les activités de sensibilisation, la formation et aussi des activités culturelles parce que nous avons aussi euh, au niveau du club UNESCO de l'université mon un groupe artistique et culturel mm-hmm. qui produit donc des œuvres et euh, que nous partons vers euh, la population pour essayer de les sensibiliser à travers ces œuvres-là que nous, euh, nous faisons. Ok, alors quels, euh, quels sont les défis auxquels le club fait face dans la mise en œuvre de ses activités et comment les surmontez-vous Alors, donc, le premier défi, d'abord, c'est la pérennisation des membres. Donc mhm. d'abord parce que nous sommes un club euh, qui est dans le bénévolat et le volontariat. Et vous savez comment <laughs> est difficile donc euh, l'aspect bénévole et volontaire dans les mouvements associatifs. Donc euh, nous essayons vraiment le, notre premier défi c'est d'abord euh, le recrutement et la pérennisation de nos membres. Mhm. D'abord mhm. Le deuxième défi c'est d'abord la multiplication de nos activités pour que la communauté universitaire et au-delà, la population nigérienne puisse d'être imbu donc des valeurs de vivre ensemble, de la paix, de la tolérance et de la coexistence pacifique. Parce que c'est ça qui fait le club UNESCO. Euh, l'autre euh, défi donc, euh, que nous avons, c'est vraiment les défis aujourd'hui technologiques. Donc nous faisons donc des activités de formation dans le domaine de l'informatique. Donc nous essayons d'aller au-delà de ça pour voir comment ces défis-là peuvent être transformés en force pour euh, continuer voilà, voilà. merci. Hein. <laughs> Merci de nous avoir <laughs> honorés de votre présence et d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère qu'on aura plus euh, le temps une autre fois dans cette émission pour approfondir. Euh, vraiment, c'est très intéressant en parlant de ce club d'UNESCO. On vous souhaite de passer une excellente journée. Merci à vous. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. C'est nous à présent, c'est l'heure euh, de notre rubrique hebdomadaire et nous sommes jeudi, nous allons parler éducation numérique. Exactement, Samira. Aujourd'hui, nous allons parler euh, d'une technologie bien connue, mais qui continue à être utilisée euh, dans notre quotidien, les QR codes. Pour, en, pour en savoir plus en détail, nous avons invité notre collègue de l'équipe numérique. Il s'agit bien de Farid Bourema. Bonjour Farid. Bonjour Seno et Samira, ravi d'être ici pour discuter des QR codes. Alors tout d'abord, euh, euh, pour nos auditeurs et auditrices qui pourraient ne pas être familiers avec euh, cette technologie, pourriez-vous nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est qu'un QR code Bien sûr Samira, un QR code est un type de code barre bimensionnel qui a été inventé au Japon dans les années 1990. Il se compose d'un motif carré constitué de modules noirs et blancs disposés sous forme de damier. Ces modules contiennent des informations sous forme de données binaires. Et à quoi euh, sert-il euh, concrètement le QR code est utilisé pour stocker et transmettre divers types d'informations chez nous. Hmm. Il peut contenir des liens URL, des informations de contact, des détails sur des produits, des codes de connexion Wi-Fi, par exemple, des billets d'événements et bien plus encore. Ah, c'est vrai que nous voyons hein, ces codes partout de nos jours. Ah, pourriez-vous euh, nous en parler, euh, nous parler plutôt de quelques exemples d'utilisation courante de ces QR codes Bien sûr, Mira. Les QR codes sont utilisés dans de nombreux domaines. Par exemple, dans le marketing, les entreprises intègrent des codes QR sur des affiches, des dépliants ou des produits pour, diriger les clients vers leur site web ou des informations spécifiques sur le produit. Dans le secteur des transports, par exemple, les hmm. compagnies aériennes utilisent des QR codes pour les cartes d'embarquement tandis que les opérateurs de transport en commun peuvent les utiliser pour finir, fournir autant pour moi des horaires ou des informations sur les trajets. Les QR codes sont également utilisés dans les restaurants pour euh, afficher les menus hmm. ou permettre aux clients de passer commande. Mais cela semble euh, effectivement très très polyvalent. Euh, mais est-ce que tout le monde peut créer un, QR code ah Oui, absolument, c'est nous. La création d'un code QR est assez simple. Il existe de nombreux générateurs de QR code en ligne gratuits. Hmm. Il vous suffit de saisir les informations que vous souhaitez inclure dans le QR code, hmm. comme une URL ou un texte, et le générateur se charge du reste. Une fois créé, mhm. vous pouvez l'imprimer et le partager numériquement. C'est pratique ça, mais euh, qu'en est-il de la sécurité Certains pourraient craindre que les QR codes puissent être utilisés à des fins malveillantes. C'est une préoccupation légitime. Comme tout support numérique, les QR codes peuvent être exploités à des fins malveillantes, notamment pour rediriger les utilisateurs vers des sites malveillants ou pour voler des informations personnelles. Il est donc essentiel de faire preuve de prudence lors de la numérisation de QR codes provenant de sources inconnues. Certaines applications de scan de QR code intègrent des mécanismes de sécurité pour avertir les utilisateurs de contenus potentiellement dangereux. Merci hein, pour ces précisions, pour ces précieuses euh, informations. Farid, les, les, QR codes sont euh, décidément une technologie polyvalente et utile, mais il faut euh, rester vigilant quant à leur utilisation. C'est tout pour notre rubrique technologie d'aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour de nouvelles découvertes technologiques. Au revoir. C'était là euh, la rubrique hebdo éducation numérique avec euh, notre collègue Farid du département numérique. Un autre tour en musique avec euh, le titre Shakira. Shakirari voilà. <laughs> ce titre, à chaque fois, j'ai des difficultés à prononcer. Le hein. titre, c'est Shakirari, du groupe Akazama de Duchi. groupe Akazama voit le jour en 1982, ah non, en 1992 plutôt, excusez-moi, à Dogonduchi dans la région de Dosso. 30 ans après, le groupe est toujours actif avec un nouveau visage, mais toujours avec le même style. Oui, parlant de style, il est plutôt spécial, le leur est très local, comme le nom du groupe l'indique. Il chante pour les ancêtres, aux divinités euh, mystiques de l'Arewa, surtout à la grande guerrière Saraunia Mangou. Notons que euh, c'est l'orchestre phare de la région de Dosso et aussi euh, à Kazama et lauréat de plusieurs concours de musique au Niger. Il est très très souvent sollicité par le ministère de la Culture pour animer des spectacles. tchau. Voilà, après cette euh, pause musicale, on passe à l'écho des régions, direction Filingué pour parler euh, des collecteurs d'objets de recyclage euh, communément appelés Yangongolba, n'est-ce pas Samira Exactement, c'est nous, originaires du Nigeria, les Yangongolba sont des jeunes en quête de vieux objets en fer, des chaises ou en plastique usées dans les foyers. À Filingué, les Yangongolba s'intéressent de plus en plus aux enfants de 6 à 10 ans qui leur fournissent la matière à bas prix. Écoutons ce reportage d'Abdoulaye Bagassa. Ils sont nombreux ces jeunes venus de Sokoto au Nigeria à embrasser ce métier pour subvenir à leurs besoins. Ils sillonnent à longueur de journée la ville de Filengui, en sonnant de quartier en quartier pour alerter leurs clients qui ne sont autres que les femmes et les enfants. Comment se passe l'activité Oumarou Issa, un des collecteurs, explique. To ni ɗan Sokoto ne. Eh muna zuwa ne daga ƙauyen Sokoto muna zuwa wannan garin na Filingi game da wannan sana'a tamu ta gwangwalma. To wannan aiki namu na gwangwalma muna aiki da roba muna aiki da mabusar da ake kira sifili ya ake kira sifili muna aiki da yakufe muna aiki da so na niƙa baki kuma muna aiki da so farin so irin na talla haka kuma da so na sayan nono na yara haka kuma muna aiki da cingam da bambam duka da muna aiki da su to waɗanda suka fi kawo kayayyaki ana samu ga mata suna kawo kayayyaki irin tukanen karfi waɗanda suka lalace su ce a basu roba ko kuma a saya da kuɗi a basu kuɗi su kuma ƙananan yara idan sun ga kaya na wasa waɗanda muka zo da shi irin kayan bushe haka ko kayan bambam waɗanda suke amfani da su na ci na kayan marmari haka su ma suna iya kawowa to yara suna kawo irin kwankwanaye ko kuma karafuna haka duka suna iya su kawo kuma daga cikin yara ana samun masu kwari irin waɗanda suka yi lakwal masu bukatar kuɗi waɗanda ba sa buƙatar kayan ciye-ciye irin bambam ko busa haka waɗanda ba su buƙatar su suna buƙatar kuɗi ƙananan yara kuma suna bukatar abin nan busa da irin su bambam su cakwala da sauransu Selon l'âge Eliasso Ibrahim, impliquer les enfants dans cette activité n'est pas une bonne chose. Pour lui, les parents doivent assurer le rôle de sécurisation des enfants. Sunana Alhaji Ilyas Ibrahim Gahila mai garin Binkan. Abin da na sani ga harkar masu gwangwalba. E su kasuwa ce suke, haka suke ganin suna yi, amma ai kasuwa akwai haramtatta. Wadda ke kasuwa ce, ai masu da kwaya ma kasuwa ce suke. Amma an ce haramun ce kuma an gane su da ita a kama su. kuma amma su alhali ko ai kasuwa ce suka kuma suna ci da iyalansu da wannan kasuwar da suke yi to da haka ba dan tana kasuwa za a yarda kowa shi wa da ya gara ma ba akwai doka ta ƙasa wadda yake komi yaro ya yi karami ba a taba shi saboda yana yaro karami kuma ba a komi da shi bai kamata a yi komi da shi komi za a yi wakili gare shi to in gaskiya ne a musu doka a ce kasu sai kaya sai ga dan shekara ashirin ba biyu akalla ba dokar mu ta Nijar kenan sai ka zama adult sai ka zama shekara ashirin ba biyu to a ce kasu sai kaya in ba ga wanda kai shekara ashirin ba biyu ba ne in suka sai ga wanda bai kai haka nan ba a musu hukunci domin su ne suka bata yaran duk yara sun taru sun zama barayi gaba ɗaya babu ɗiyan gidan mai hali babu ɗiyan gidan talaka yaro ka shi yaro ne ya ga dai abokin shi ɗauke ɗan ƙarhe ya ta ya kai an bashi bambo shi ma sai ya ɗoka ta kai wasu masu motoci sai a ɗauke kayan su da mota na ƙwarai a kai wasu masu aikin gona sai a ɗauke hauyi a ɗauke ratuna a ɗauke adduna duk a tai akai masu gwangwalwa don su ba da bambon ko su ba da wani shakwala to saboda Allah wannan yanzu a ce kasuwa ce ta ƙwarai ka san an san haramta ta kasuwa ce wani matsalar da nake gani cikin gwangwal ba kenan ban ci a hana su sana'ar su ba amma a hana su saye ga kowa a aza musu doka a ce bakin wanda ya kai shekara kaza in ba haka na suka saye sun yi laifi madam isufu Fati Sanda invite ses pères à plus de vigilance dans la surveillance des enfants qui ne font pas de différence entre outils neufs et outils usés pour la vente. Ni dai sunana Fati Sanda. To ni dai wannan abban ga amfanin shi ba. Tunda yaro kullun shi dai kullun ya zamanto da yaji fifi'in nan akwai wani abu kusan shi da zai kaiwa kenan ko wanda aka sani ko wanda ba a sani ba shi na iya ma ɗauko abin da ake amfani ko wata tukunya ko wani mirhi ko wani kasirol sai ka lalabo ka ga babu in ka tambaya a fara ce maka har da kujeri ba su bari ba kujera da sun ga takare suna yallalla su da su ɗauka su su kai wurin su fi mai gungal ba su su bashi ya ba su wani abu kuma abubuwan da yake ba dama ba wasu abu ne masu wani mahimmanci ba Wata wani dan plakaman ne za a basu ko wani dan kayan doki doki ko wani kaya na roba wani dan roba na cin tuwo shikenan abin da ake basu kuma yaro da bai da abin da zai badawa akwai masu zuwa har bisa shara su tai suna cince-cince suna tone-tone su dai su samo karhi ko wani abu dai su tai su kai musu kenan kun gani wannan ya kamata a ce an samu jan hankali da ake yi ma yara da su kuma waɗannan masu amsa abubuwan ga yaro in yaro ya kai musu abin da ka gada ya yi ƙarhin shi sai ka tambaya tun da tana yi wa ɗauko shi ne sato shi ne ya yi kenan in ba a yi magana ba yaro zai koyi 'yan ɗoke-ɗoke 'yan gunta 'yan ɗoke-ɗoke daga na a girma ana yi kenan ya kamata a samu yadda za a yi a jama yara da su masu gwangwalba a ja musu hankali Quel sera l'avenir de ces enfants si toutefois les dispositions ne sont pas prises pour contrôler et analyser les contours et détours de cette activité de plus en plus les enfants au détriment de l'école et Macaranta c'était là euh, le reportage euh, d'Abdoulaye Bagaza euh, d'ailleurs, qui est en ligne. Allô, Abdoulaye Kanalaya Alhamdulillah, barka mu Kadeya gida. alhamdulillah gida lahiya lo tubarakallah gaskiya mun ji rahoton ya yi daɗi sosai don shi ne ma mhm. nake so in san wani irin matsaloli kuka fuskanta wajen abin ga shirya wannan ah, rahoton wannan babban matsala ce sabilin a su dai hausawa suka ce in dai ku suna da sata to dodo da ɗoyi mm. saboda wannan wata al'ada ce wadda yara yau suka shiga a cikinta kuma sun same asulinta wajen mata wajen iyayensu saboda su suke fara sanya musu shi cikin kanu har suka zama yau sun zama professional in hausawa in turawa wannan safara a gaskiya Allah sai an tashi tsaye saboda kamar yadda kuka ji aka faɗi a cikin rahoto yara sun lalace yau in wani lokaci suna amfani da 'yan kwankuna to yau ta huce can yau iyaye ba su da damar su su aje wani abin kirki wanda da ya zamanto dan ya danganci karhe ko kuma wani abu wanda ke ana iya doka a sai a saida yare suna dokan shi to um, madala bancin abin da malamin ya gayi ya ce ka a saye ga yaran da ba su wuce shekara goma sha takwas ba kai a hmm. ganin ka akwai wasu hanyoyi da aka tanadar da za a bi dan an ga a kiyaye irin wa'annan abubuwan To hanyoyin da wajibi ai shine dole sai an dawo kasa an dama tare da waɗanda suke iyaye sai sun tun da su ne musamman mata su da suke cikin gidaje suna ganin yadda abin yake wakana su ubannai wani bi yana tsammanin su gida uwaye ne a cikin gidaje yau in sun kula abin za a samun saukin shi sannan su kan kansu su waɗanda ke saide saidan nan ya zamanto ita hukuma ta san su an kidaddage su an san kuma an ba su hanyoyin da ya kamata su bi a horar da su ga abin da ya kamata ku yi ga abin da bai kamata ku yi ba Merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. À présent, c'est nos euh, places au sport euh, et c'est avec notre chroniqueur euh, sportif Sariou Adam qui se trouve déjà à nos côtés dans ce studio. Bonjour Sariou. Alors, c'est aujourd'hui que s'ouvre la Coupe du monde féminine de football en Nouvelle-Zélande. Oui, Miras, la première rencontre de cette Coupe du monde féminine a opposé le pays organisateur face à la Norvège. Résultat du match, un but à zéro en faveur de la Nouvelle-Zélande. Actuellement, l'Australie joue contre l'Irlande. Et quels sont les pays euh, africains euh, qualifiés pour cette Coupe du Monde féminine Le continent africain sera représenté par les quatre demi-finalistes de la Cannes féminine de 2022, à savoir le Maroc, la Zambie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le Nigeria sera d'ailleurs le premier pays africain à débuter demain contre le Canada à 3 h du matin. Alors, Adam, parlons à présent de lutte, où dans quelques jours, les lutteurs nigériens euh, représenteront le pays euh, au 9e jeu de la francophonie en RDC, prévu le 28 juillet. Au, du 28 juillet plutôt au 6 août à Kinshasa. Oui, Mira, la lutte traditionnelle, la lutte sport roi du Niger. En effet, depuis quelques jours, la délégation nigérienne se journe dans la capitale congolaise en attendant le début de la compétition. Nous vous proposons d'ailleurs d'écouter l'entraîneur de l'équipe nationale du Niger sur la situation de ses lutteurs et les conditions d'hébergement de son équipe. Ils savent ce qui les attend. Euh, nous sommes là, en tout cas, pour ça. Nous avons pris confiance depuis Niamey. Euh, c'est ce travail psychologique que nous sommes en train de faire, de continuer à faire jusqu'à la fin. Et euh, ben voilà, c'est ça le début de nos séances. Nos objectifs, vous savez, euh, le Niger a des objectifs à atteindre la moitié de lutte, surtout africaine. le Niger est champion de la CEDEAO. C'était au mois de mars passé à Niamey même. Le Niger a à conserver cette place-là. Et aussi d'être leader en matière de lutte africaine dans l'espace CEDAO, Nous sommes venus, en tout cas, avec cet objectif-là. Et euh, nous ne souhaitons pas faillir. Euh, notre objectif, en tout cas premier, c'est aussi d'être champion dans l'espace francophone. Bien, euh, vous avez vu comment ils nous ont accueillis. c'est un pays qui est vraiment en pleine reconstruction. Puis l'aéroport, vous avez vu jusqu'à le des d'hébergement. en tout cas, il faut de leur mieux pour nous donner en tout cas le meilleur de même Certes, il y a des petites insuffisances. C'est pas fini, mais on suppose qu'aujourd'hui et demain, ils vont finir tout ça pour que tout rate dans l'ordre. On dit tout début est difficile et il est aussi difficile pour les Congolais. Nous, comprenant Et en tout cas, nous leur accordons cette grâce-là. D'ici demain, Inch'Allah, ils vont mettre tout euh, en ordre et les entraînements vont véritablement commencer. Chers auditeurs, c'est sur ce mot de lutte que prend fin cette page du sport et à demain pour un autre numéro. Merci beaucoup euh, Adam, on se dit à très bientôt. Aujourd'hui c'est nous, la rubrique portrait euh, s'intéresse à un chasseur traditionnel qui répond au nom de Seibu en effet, Samira, il s'appelle Seibou Sabo, dit Seibou dans Filingue, né en 1979 dans le village de Izugudu, département de Filingue. Celui-ci habite euh, au quartier Kwartedji de Nyame et pratique plusieurs activités, hein, mais son métier principal, c'est la chasse traditionnelle. Seibou ah, voilà, Dunfilingi a hérité de ce métier auprès de ses parents qui l'a mené euh, dès son bas âge à la chasse. Aujourd'hui, il est devenu maître chasseur d'où il élève certaines espèces sauvages capturées. Notre reporter Omar Hama est parti à sa rencontre. Voici son reportage. hausance gana sai halibi ko farauta zarmai mu gane kwali wala gawai lalle aina no ga bi son irme ci na wura gumu gumu zawati fonon na goyo wa sinti to wallahi e gawai wo ayo wo bumbo mun bai wat kan aina sinti zama aina tubuno aika ga eh, ma'ana ainya baba ya dinga za a aisi haifo bai ki ga sambu gada ke bari bonga kwanda ai sajora kala aitun aina haifo bai albora nan kulka ago koi ago kwanda ai sajora kala irkoite ai charam gumo gumo albora bande hala irkoi ginga talfota go ai hasai bande albora wani izu ai kontine a banda ingamu to malam shaibu ninir famandi gane niwo gawaino ni bisa gano gabi ba kan nigo ye kan niga te gaba saji alman wofo dumono ni ga gawai sohon dai irme cina aura sage almana mana ibere dai kati jeri ga kaganda zama sohon sajo ga moru almana sara matakan don borai ikagar almana berai gono sohon mantiyadinu da borga ne ni ga gawai almani bi rison kaddini mawar gumo ito malam shaibu na fafono ni du gawai wani wara to wallahi ni bai anda mai zai haikul kan ni di ni tun ni ka e igoga e te arando hala ni na sambu ni na te e gayi yan hari to a gwanda na fa gumu kan gwara wana wana barkulkan gwanda almayalai ya ne. dinidi agoga harite to agoga du a rana no da a si gadu a rana fa dole a ganan ya dinga ayo saji koyon wo ai goga di a rana fa kungumu to malam shaibu son dai kan aikani kora ai godi ni se danga garu gariyo ingande halaga kason zogaiwe no i hagoida yongo gote wala kan aran dai do na kerwo gendi yono ni to wodin yanwo ngawo danga harno kara borotun jan dabar yan kan nige hingate zama hunkuna di irkoi ba insha Allah zama irkoi ingino ga wani alman kulkan aidi aiga hin ga ba wala aiga hin ga gayi aiga hin ga gayi agogoro wundora ba aina tanno wundora askonon kul irkoi dinga bonara malam shaibu sendai fono nigo ragadu wala nigo gadu nigo yowora anda mai zukulu ago unga muradu yara agadi aga dogonai agadi aga sandai ya dinga goyino kan ti dai ninin nibina gandinu dole nu nimi di ara sandai i bambata bata zama sanda dai kaci tabi zambar kulkan ga koi foi sa jora nimmananwa nim kanisa jora nimmananwa sanda ya ya bayade tumala saibu ce ni gete danga aimene furo teje zamani ne gawe yonga wo ni na tubu na hunkuna borbobo yongono kango yeki tubu isi gano da gabi to son babban matsalar bero bumbo bumbo kan gona no ya iri wani niger traditionnel lega zaman hunkuna eh, ay masan buni sai dai dai dan kai na fo hal dai haifo kan a danga mahalabai da ingano kati gawai a imuradu to kada im kwai san bu im ne wonya da defile no wala haifo imati zama ni di danga traditionero Après ce portrait, chers auditeurs, faisons une dernière tournée musicale avec euh, le titre Bossomai Kacha du regretté sous le concours. bara sarkin baya. yi yala yallawa ya duniya Allah wa ba sai mutu ba wanka mai kiɗa na dawo. ka wasu uban yan banza wasu mai kaca uban yan banza ai gano mai kiɗa na dawo dole zai kiɗa can ka wasu uban yan banza ji ya ciki shi wani mai kasa da sai ya kamu. Ya sa ‘yan ƙananan bandi wai su yi su yi kwace kawai su kawo kuɗi. ɗan kula a shafa a kwallahira uban ɗan gata. Kuma ya kuwa uban ɗan gata a shafa a kwallahira uban ɗan gata. A wuce yayi bai zama aiki ba ba uban ɗan banza. a ba shi yan kuɗi kawai ya zai dawo sam. A a kwace yan kuɗi na talakawa. A zo a sha ruwa a yi wasa ana ta sakarci mai kaca uban yan Et eh oui, c'était le titre Boss Mekacha du feu sous les concours. Hein. À présent, il est temps pour nous de découvrir le loti du jour avec euh, le desk femme du studio Kalangu qui évoque aujourd'hui la question de la prise des somnifères. Exactement, euh, tu sais, c'est nous, il y a certains parents qui préfèrent donner le somnifère à leurs enfants pour ne pas euh, les déranger parce que cela facilite le sommeil. Mais pour en savoir plus, j'ai discuté avec Rekia Arimi. On écoute affairage, affairage, affaire affairage. Bon, le travail est fini, je peux rentrer tranquillement à la maison, me reposer. La journée sera longue demain. Sahura, Sahura, va me réveiller ta petite soeur, on va partir. Tanti, elle dort encore. Je tout fait pour la réveiller en vain. Ah ah ah, comment ça Maria, Maria, Maria, tout. Elle dort profondément, hein Bon, je vais la mettre au dos. Elle se réveillera à la maison. On y va. Maman, tu rentres déjà Oui, je suis trop fatiguée. À demain pour les baptins. Maria dort encore. Depuis que vous êtes arrivée, elle ne fait que dormir. J'espère qu'elle va bien. Oui, elle se porte bien. Je lui ai donné un somnifère pour que je puisse aider dans les préparatifs du baptême de demain. Sinon, elle va me déranger. Mais je crois que j'ai un peu abusé sur la dose. Quoi Tu donnes des somnifères à ta fille pour qu'elle ne te dérange pas Et pourquoi tu l'as accouchée Tu vas détruire la vie de ton enfant pour rien. Détruire sa vie juste en la faisant dormir. Pourtant, le sommeil est bon pour la santé. Ah, je ne vois pas en quoi je lui ai fait du mal. Tu me fais rire. Hein. Tu ne vois pas en quoi tu lui fais du mal. Tu ne sais pas que c'est juste quand une personne a un trouble de sommeil qu'elle peut prendre des somnifères. Est-ce que c'est le cas de ta fille Non, elle dort normalement quand il le faut. En fait, je lui donne ça quand je vais dans des rassemblements. La nuit, je n'ai pas de problème avec elle. C'est grave ce que tu fais. Ce sont généralement des enfants qui pleurent la nuit ou ne dorment pas tôt, empêchant la famille de se reposer, à qui on donne des somnifères. L'usage des somnifères n'est pas sans conséquence sur la santé. L'administration des somnifères est fortement contre-indiquée avant l'âge de 1 an, alors que ta fille n'a que 6 mois. En plus, ça doit être préconisé par un médecin. En tout cas, jusqu'à présent, elle n'a eu aucun mal avec ça. La prise du somnifère paraît efficace dans un premier temps, mais à long terme, les risques sont nombreux. Une consommation régulière de somnifères, surtout chez les enfants, est accompagnée d'un certain nombre de risques qui l'emportent probablement sur les avantages. Hé, hey, Halima, en fait, je lui donne ça seulement quand on sort. Donc ce n'est pas beaucoup. Seulement quand on sort, ce n'est pas beaucoup. Tu m'énerves, hein? <laughs> Halima En plus, tu ris. Hum. Tu ne sais pas que l'intention régulière et à long terme des somnifères a un certain effet secondaire potentiellement grave sur la vigilance, l'apprentissage et la mémoire, à court terme, l'utilisation des somnifères provoque une baisse de la concentration et de la vitesse de réaction, et à long terme, des maux de tête, fatigue, vision trouble, sensation de somnolence ou de vide, faiblesse et fatigue musculaire, vertige, etc. Et j'en passe. Hum, tout ça là, c'est trop. Tu es sûr de ce que tu me dis tu oublies que je suis dans le domaine de la santé Vraiment, si c'est comme ça, je crois que je vais arrêter. C'est dans ton intérêt en tout cas. Écoute-moi, certaines adaptations peuvent résoudre ton problème. Si tu veux que ton enfant dorme, mets-le dans un endroit calme, détendu et relaxant avant. Chez certains, prendre un bain s'avère bénéfique. C'est mieux que de lui donner des somnifères. J'ai bien compris, Halima. Tu vois, Maria dort toujours. Et avec tout ce que tu viens de me dire, je suis inquiète. J'espère que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai décidé d'arrêter que les problèmes vont commencer. Non, je pense que ça ira, ne t'inquiète pas. Mais il ne faut plus recommencer, surtout pour des futilités comme ça. Du genre non, je ne veux pas qu'elle me dérange. Inch'Allah, je te promets, Halima. c'était là euh, le loti du jour avec le desk femme du studio Kalangu. À présent, euh, notre collègue Ali Niali, euh, journaliste traducteur en langue Fulfulde, est avec nous dans cet studio pour nous parler de la culture linguistique. ça sera en français et en Fulfulde. Le mot d'aujourd'hui est enclave pastorale. Bonjour Niali. Bonjour Seno et bonjour Samira. Bonjour. Notre mot du jour aujourd'hui euh, pour la culture linguistique porte, comme vous l'avez dit, sur l'enclave pastorale. Une enclave pastorale, selon le dictionnaire du français, est un espace pastoral situé en zone agricole et qui est réservé à l'activité des pasteurs, c'est-à-dire des éleveurs. Dans cette zone également, la cueillette, la chasse, le ramassage du bois peuvent être des activités de l'homme. Mais selon le petit lexique des termes techniques du Code rural au Niger, L'enclave pastorale est un espace pastoral situé en zone agricole et réservé exclusivement à l'activité des pasteurs. Alors bien en Fulfulde, ce qu'on peut dire der Fulfulde ko indira enclave pastoral kan woni dance laddeji tawaɗi der cakantaraji remo remoɓe hanu ir ferro e ko nandi titta Durobe no pere jaha rumode ton enda na ora jaaƴo nder nokkuje ɗe duni fa hande himɓe no jaha tenoyde leɗɗe leɗɗe du ɓiɓɓe muɗum ɗe ñamete ir ɗakke ciɓole e ko nandi titta himɓe no jaha duni fa hande tenoyde amma ɗo e nder leydi niger dewtere hawjine laabi nawtorade gese ladde e jaye indirani code rural kanka wi'i nokkuje ɗe enden duroɓe tan enden accanaɗe nawtoro bala Alors, merci beaucoup euh, Nelly. Chers auditeurs, si vous souhaitez aussi euh, avoir d'autres explications, euh, vous pouvez aussi nous laisser un message vocal ou écrit au numéro 82 89 89 64 et c'est toujours avec les langues, soit en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde. Écoutons nos auditeurs qui nous ont envoyé des messages vocaux. tunana Adamu Musa Hassan nan garin Ciro nake zamani. a studio Kalam. Shirye-shiryen su wanda yake burge ina jin yanayin da suke fassara magana da yaran mu kamar zabarmanci zan ce wannan abu yana kayatar da ni sosai. Abin da za a gai duka ina ji. Me ana gain Hausa amma inda zabarmanci za a yi gaskiya ina jin magana wadda yake nake ji ina jin daɗin ta sosai. Ina da dan uwana da yake sunan shi Isa Baba ina gaida shi. Ina da dan uwana da yake Doso sile Jibis ina gaida shi shi ma. Jakanungu na san kuma ina sirkin sosai ma. Na

l'équipe du studio Kalangu. Respect et considération. Je profite pour saluer mes amis de classe Mariama, bukari Atera, Zainabou, Abdurrahman Atirozeri. Alhamdulillahi ta'ala barakatuhu ni Haruna na mutunan dogon duci amma madamni Muna sauran studio Kalangu karfe biyar na marice abin ga muna jin abin da suke yi shi na da firga mu ga kasuwancin da muke yi. Muna fatan kuma Allah Ubangiji shi ba su karfin gwiwa. Allah Ubangiji kuma shi kama mana shi dai muke fata domin labarun da suke badawa suna ba da labarun Nijar duka gaba ɗaya kenan kuma ka gani wannan shi kuma abin karfafawa na muna jin daɗin wannan li suna ba labarun Nijar duka gaba ɗaya kenan shi na abin karfafawa gare mu Allah da ubangiji shi ba su ƙarfin gwiwa Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Samira Rouafi et moi-même Ali Munkela Ouseni, alias Senou. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris euh, pour demain avec un nouveau numéro. Exactement, sinon le temps s'affile tellement vite. À la technique, c'était euh, Seni Isaka et à l'édition, nous avons eu euh, Fantasham Soumegari. On vous souhaite de passer une agréable journée en compagnie des programmes du studio Kalango. À bientôt. Bye bye.